8 heures passées de 15 minutes, l'heure du forum de la presse qui a lieu tous les vendredis soirs. Le forum de la presse, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de la presse écrite ou audiovisuelle pour une analyse de l'actualité. Si vous nous écoutez en ce moment, sachez que c'est en partie grâce à notre réseau de radio partenaires 31 au total qui diffusent en direct les programmes du studio Kalangu. Dans le forum de la presse de ce soir, nous revenons sur la grande rentrée scolaire, celle du primaire et des collèges, une rentrée qui intervient dans un contexte euh, où des formations des enseignants ayant obtenu de faibles notes lors de l'évaluation organisée par le ministère en charge de l'éducation ont lieu. Dans ce même chapitre éducation, nous parlerons aussi de la grève suivie de sit des étudiants des écoles et instituts professionnels les premières dames des pays de l'espace CDAO à Niamey depuis hier pour un forum centré sur la femme et les enfants. Nous en parlerons dans cette émission. En sport, le MENA Cadet en Inde pour défendre les couleurs du Niger à la Coupe mondiale des moins de 17 ans. Volet sécurité de ce forum, nous reviendrons sur cette attaque meurtrière, cette embuscade qui a coûté la vie officiellement à quatre soldats nigériens et trois américains. Nous traiterons également de cette tournée du ministre de la Renaissance culturelle en région pour vulgariser son document sur le sujet. À propos, notre correspondant à Maradi, Mohamed Maman, sera en ligne avec nous. Pour parler de ces sujets, nous sommes en compagnie de nos confrères Murtala Mamadou du journal La Griffe. Bonsoir Murtala. Bonsoir Alassane. Jafar Maman, directeur de publication du journal L'Indépendant Plus. Bonsoir Jafar. Bonsoir. Et Hussein Issa, qui est journaliste indépendant également avec nous. Bonsoir Hussein. Bonsoir. À la présentation de cette émission, Alassane Kouzi Mahmoud. Bonsoir à tous et bienvenue dans le forum de la presse de ce vendredi 6 octobre 2017. Nous débutons ce forum par un chapitre éducation. Tout d'abord, la rentrée scolaire 2017-2018 du lundi dernier cette rentrée concerne les élèves du primaire et ceux des collèges qui reprennent ainsi le chemin de l'école. Il est à noter que cette rentrée est intervenue dans un contexte où les enseignants de la troisième catégorie, ceux qui ont obtenu des notes variant entre 3 à 5 euh, sur 20, suivant des séances de renforcement de capacité, une formation qui fait suite à l'évaluation faite par le ministère en charge de l'éducation et qui a mis en nu les capacités réelles de certains enseignants à bien exercer leur métier. Alors, je m'en veux commencer avec euh, vous, Seynissa. Euh, cette rentrée scolaire 2017 de l'année académique 2017-2018 Avez-vous eu l'impression que l'État s'est bien préparé pour réussir le pari d'une année académique stable ah, Je ne peux pas parler de <coughs> bien préparé. C'est l'impréparation totale. Parce que, comme tout le monde le sait, pendant les vacances scolaires, ce à quoi on avait assisté, c'était, comment vais-je dire, euh, le test d'évaluation, à l'issue duquel il y a au moins 8000 enseignants qui ont été mis sur le carreau et que ça, ça, a fait en sorte qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation où on a fait une rentrée, mais on a fait une rentrée politique. Ce n'est pas une rentrée scolaire normale. Les enfants, c'est bien vrai, ils vont à l'école parce que les encadreurs sont là, au niveau de l'administration, notamment des écoles. Les encadreurs sont là. Mais au niveau des enseignants, il faut s'attendre à ce que dans les jours, ou les semaines à venir ou les mois à venir, il faut s'attendre à ce que, il faut s'attendre à des, à, des troubles. Parce que tout simplement, vous venez de le souligner que il y a des enseignants qui sont renvoyés à l'école, euh, du moins qui sont envoyés sur les euh, bancs pour un mois, mais pendant un mois. La, la rentrée scolaire, c'est neuf mois quand même. Pendant un mois, ça veut dire que ces enseignants qui sont censés tenir ces classes-là, pendant un mois, ces classes-là vont rester sans enseignants. C'est ça la problématique. Quand on pose les problèmes, quand on veut régler, solutionner ces questions-là, moi j'ai dit, on prend vraiment le mal à la racine. Ça n'a pas été le cas. Il fallait tout simplement parce qu'il y a des problèmes de trésorerie, des problèmes pour faire face au, au paiement des salaires. Il fallait trouver un mécanisme pour réduire tout ça. Et ils ont trouvé le mécanisme en passant par les contractuels et aujourd'hui ils se retrouvent dans une situation, la rentrée, d'accord, les enfants, les matins, ils vont à l'école. Mais il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui, comme vous allez constater, c'est que les cours n'ont pas effectivement débuté. Bien. Euh, Jafar Maman, quel commentaire vous inspire euh, cette rentrée scolaire au niveau du primaire et des collèges Oui, je pense qu'on euh, est à ses débuts. Euh, mais déjà, avant de parler de, de, de et de la euh, d'une bonne rentrée scolaire, il faut, il faut se rappeler que euh, déjà avant les, pendant, avant les vacances, le dernier mois de l'année a été tellement mouvementé puisqu'il y, a une série de mouvements des, syndicats, des enseignants, que ce soit contractuel ou autre, mais qui apparemment leur plateforme n'a pas trouvé euh, un début de solution. Ça veut dire que euh, pour l'instant, on peut constater qu'il y a une rentrée, mais il faut aussi que le, pouvoir public ou les différents ministères de tutelle euh, puissent prendre les dispositions avec leurs partenaires qui sont les, enseignants d'un différents syndicats pour euh, qu'il y ait la pérennité de cette, euh, de cette accalmie. Mais d'ores et déjà, on sait que la rentrée a débuté avec un trou, si vous me permettez le terme, avec un vide, puisque vous savez que en dehors des enseignants qui, qui sont retournés, qui sont renvoyés à l'école pour recyclage, il y a aussi ceux qui même ont fait l'objet, comme l'a dit le ministre, de, de, de, de renvoi ça veut dire que l'air, je ne pense pas à cette date si euh, ce trou-là est, est, complété. Vous parlez de problème d'effectifs de, problème d'effectifs, puisqu'il y, y, a un vide, il y a un vide, il y a un nombre important qui a été euh, suspendu pour, définitivement et à cette date, je ne pense pas si. C'était nécessaire, non Ou pas euh, Bon, ici, on, je pense que le débat de la nécessité et, de la. Puisqu'ils ont parlé de la qualité et passés, maintenant, il y a un besoin d'une de, de, d'une quantité, quantité, qualitative de, compenser les gaps. Puisque. Euh, il faut que ces enseignants-là qui ont été définitivement suspendus soient remplacés, sinon il y a, il y a risque d'un vide. Murtala, un mot sur cette rentrée Écoutez, euh, cette rentrée ressemble beaucoup à celle des, années précédentes depuis plusieurs euh, autres années dans notre pays où euh, on assiste à une rentrée de, de, classes sans que les conditions préalables n'aient été réunies. que s'appelle conditions préalables C'est d'abord les différentes difficultés et, sur la base desquelles on avait eu des, problèmes avant d'aller en, en vacances et au lieu de les périodes de vacances n'aient pas été mises profit pour aplanir les divergences entre les différents acteurs, les revendications des, syndicats, des enseignants, mais aussi des élèves, euh, n'ont pas été trouvées de solution pendant ces périodes de vacances. À cela s'ajoute euh, ce dont viennent d'évoquer mes prédécesseurs. Euh, tout cela vous donne un cocktail qui, de mon point de vue, fait en sorte que, effectivement, on a repris le chemin de l'école, mais peut-être d'un seul pied. Bien, mais y a-t-il rien qui vous rassure quand même dans, dans cette rentrée, dans la préparation du gouvernement euh, euh, peut-être j'aurais été un peu plus rassuré si aujourd'hui le, président le gouvernement, du moins, ça avait pris les dispositions, ne serait-ce que pour euh, faire en sorte que les enseignants, l'effectif, les 8000 et quelques qui devaient être suivre, suivre une formation de recyclage d'un mois, avaient déjà fait cette cette formation avant la rentrée des classes. au moins, ça nous aurait réduit les gaps au niveau de, des enseignants à seulement ceux qui ont été exclus du système éducatif euh, et, le, donc euh, les effectifs à rechercher seraient moindres. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est à la veille de la rentrée que ces 8000 enseignants ont été renvoyés à l'école, ce qui fait que à, la date d'aujourd'hui, euh, les classes qu'ils sont censés tenir ne sont pas tenues par des enseignants. Donc la rentrée, les enfants vont et reviennent et puis bon voilà. Au sein de on a vu quand même que toujours dans la préparation de cette rentrée, au-delà euh, de cette question des enseignants, la question des fournitures a été quand même euh, euh prise euh, en charge par l'État en, toute apparence. Vous savez, <clears throat> quand j'entends cette préoccupation, quand on soulève cette préoccupation, moi, pour moi, la question de fournitures, on parle d'école publique. On dit que l'enseignement, en tout cas, le régime actuel c'est ça le slogan. Jusqu'à l'âge de 16 ans, l'enseignement est gratuit. Obligatoire. obligatoire et gratuit. Mais <laughs> ce qu'ils oublient de dire, c'est que ça existait avant. Et c'est ça qui leur a permis, eux, là, d'être là où ils sont. Parce que l'enseignement était gratuit à cette époque-là. On n'achetait rien du tout, il n'y avait aucune fourniture, y compris le simple silo, quand ça finit, vous allez à la direction, on vous donne. Qu'on ne me parle pas de fourniture qu'on met pas d'enseignants. Parce que on a beau distribuer des fournitures, quand il n'y a pas d'enseignants dans les classes, le problème reste entier. C'est les enseignants qui dispensent le savoir. On crée les conditions pour que ces enseignants-là puissent être à l'école. Aujourd'hui, on a inversé la tendance. À l'époque, c'était dans le système public que chacun amenait son enfant. En tout cas, la grande majorité des Nigériens, c'est dans le système public l'enseignement. On s'est retrouvé dans une situation où aujourd'hui, quiconque a un peu de ressources, il préfère inscrire son enfant dans le privé. Parce que tout simplement, il a la certitude ou la garantie que l'enfant, au moins même si la qualité n'est pas là, l'enfant le matin, quand il se réveille, il va à l'école, il va rester jusqu'à midi ou à 14 heures avant de revenir à la maison. Mais aujourd'hui, on se trouve dans une situation où plus personne. On a perverti le système public de l'éducation et la qualité ne peut venir, ou du moins, si je veux dire, la stabilité ne peut venir que quand le gouvernement va se résoudre à s'asseoir avec les acteurs, les enseignants, discuter. Les problèmes qui peuvent être résolus à dans, sur, le champ. sur le champ, on les règle. Les problèmes, on trouve, on fait des échanges. Mais quand on ne fait pas ça, aujourd'hui, je, vous, je vous assure, Alassane, il y a beaucoup de parents, euh, c'est parce qu'ils n'ont pas, tout simplement, ils n'ont pas d'autre alternative. Parce que personne ne veut voir son enfant pendant toute l'année à la maison. À la maison. C'est tout simplement ça le problème. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les écoles privées, c'est devenu une affaire de business. Où les gens trouvent de l'argent, chaque année, <laughs> le montant qui est fixé à un niveau, l'année d'après, on augmente. Parce que tout simplement, il n'y a pas d'école publique. S'il y avait l'école publique, tout le monde allait inscrire quand c'est stable. Parce que c'est les mêmes enseignants de l'école publique qui vont dans le privé enseigner. Il faut qu'on mette fin à ça. Restons toujours dans ce chapitre éducation pour parler de cette grogne des étudiants des instituts et écoles professionnelles. Ces derniers ont voulu organiser un sitting au ministère des Enseignements supérieurs mercredi. Cependant, ils, ils se sont heurtés aux forces de l'ordre qui les ont dispersés à coups de gaz lacrymogène les raisons de leur sortie avec le secrétaire chargé à la presse de l'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques du Niger, Yahé Soudia. Ça fait au moins euh, une semaine de cela que nous tentons de rencontrer le ministre de l'Éducation supérieure et de l'Innovation concernant le paiement de la troisième brousse qui tarde jusqu'à présent parce qu'on ne peut pas comprendre que les autres euh, sections nous sommes en train de payer pendant neuf jours et notre section l'IEPTN jusqu'à présent, ils refuse de programmer même une seule journée. Et notre deuxième point concerne le paiement des frais de formation des camarades qui sont dans les instituts. Et vous n'êtes pas seul à savoir que dans le mois passé, les fondateurs des instituts nous ont donné quelques jours pour négocier avec le gouvernement de la 7 République pour qu'on puisse les payer leurs frais de formation. Ces camarades risquent d'être exclus dans ces instituts et nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Regardez ces camarades exclus. Voilà donc euh, Yaye Soudia, qui est le secrétaire chargé à la presse de l'Union des étudiants instituts des écoles et écoles professionnelles et techniques du Niger. Alors, je m'en vais commencer avec euh, vous, Murtala Mamadou, du journal La Griffe. Qu'en dites-vous des revendications de ces étudiants et de la réaction de l'État Écoutez, les étudiants de, de l'UIPTN, je crois qu'ils ont des, euh, des revendications euh, qui, en leur temps, déjà, je les avais qualifiées de légitimes parce que euh, ils ne peuvent pas être traités comme des, des, étudiants de seconde zone. Pourquoi Parce qu'il y a une situation qui est là. il y a eu un retard de paiement de la bourse, c'est vrai, mais maintenant qu'on a commencé avec les autres sections, il voudraient bien que qu'elles aussi soient mis dans, logées à la même enceinte que les autres sections, ce qui n'a pas été manifestement le cas. Euh, euh, pour ce qui est des frais de scolarité, des frais de formation des étudiants boursiers qui étaient dans les instituts privés, euh, évidemment, c'est, cela est un, problème, je crois, qui, est en train de s'accumuler depuis deux ans et ce qui a conduit déjà à la, une sortie de, ces promoteurs et fondateurs de ces écoles. c'est fait exceptionnel d'ailleurs. ils n'ont, ils n'ont jamais, ils ne sont jamais sortis publiquement sur ces questions. Malheureusement, on est arrivé à un tel point où ils ne pouvaient faire autre chose que cela. Euh, et là, euh, ils mettent la pression. L'État ne, versait plus euh, les, frais de formation pour les étudiants, boursiers. oui, qui étaient normalement pris en charge par l'État. Donc, quand ces, écoles se trouvent dans cette situation, peut-être parce qu'ils ont tenté de discuter avec le gouvernement et qu'ils ont senti qu'eux, ils n'étaient pas en position de force, alors ils ont trouvé un mécanisme tout simple. Celui de chasser les étudiants De chasser les étudiants ou de les menacer de les chasser, ou bien ceux qui en fin de cycle, de refuser de délivrer des diplômes euh, jusqu'à ce que ce soit payé. Donc maintenant, les étudiants sont dans une situation où c'est à eux maintenant de faire en sorte que l'État eh, paye ses créances vis-à-vis eh, de, ces écoles. Donc ils ont usé peut-être d'un moyen et qui, de mon point de vue, euh, pouvaient être euh, plus acceptables s'ils avaient suivi les procédures légales, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas et ça produit une situation qui d'affrontement euh, qui, est déplorable à tout point de vue. Hum, Jafar Maman, cette question des, étudiants des écoles et instituts oui, je pense qu'ils sont dans leurs droits. Moi, tu sais que j'apprécie <clears throat> c'est la, le, pour qui est de l'air bourse, c'est tout à fait normal que, le, que la, la réclame. Euh, mais ce que je ne comprends pas est du côté du fondateur euh, particulièrement, sur le fait que euh, vous avez contractualisé avec l'État. Vous faites, au départ, ils font de démarche avec l'État. C'est eux qui partent négocier les nombres de bourses auprès de l'État. Et après, ils font appel à des étudiants. Viens t'inscrire. Et ils présentent l'inscription de l'élève, de l'étudiant, auprès du, ministère et des directions euh, régionales. Maintenant, quand ça ne va pas, vous renvoyez les enfants dans la rue, puisque suivant le SGID, le, certains, certains ont, demandé aux, étudiants d'aller régler ça avec l'État. La procédure est mal posée, sauf s'il si ne sait pas euh, peut-être bien prononcé. Mais c'est une démarche entre les fondateurs et, les autorités publiques. Euh, de l'autre côté, je pense qu'ils ont commencé une communication en, à travers des déclarations pour euh, fustiger le comportement du, du, du gouvernement sur le. Vous parlez des fondateurs des écoles. Des, fondateurs des écoles, justement. Mais je pense que c'est dans cette lancée qu'ils doivent continuer la communication. Parce que ici, euh, maintenant que les enfants sont sortis, ils sont gazés, est-ce qu'on a entendu le fondateur alors que si, en temps normal, quand on leur verse l'air sous les, Peut-être ils vont même pas dire aux étudiants que le gouvernement nous a versé de l'argent. Donc il y a deux responsables dans cette situation. Il y a le gouvernement qui n'honore pas son engagement et il faut que aussi les promoteurs changent un peu de comportement. Vous ne pouvez pas signer un engagement avec l'État et quand l'État ne respecte pas, au lieu d'insister par d'autres canaux qui sont possibles, vous, vous demandez aux étudiants d'aller manifester à, leur place, avec tous les risques qu'il y a. savez Issa, c'est votre point de vue. La démarche est biaisée les fondateurs qui menacent les étudiants d'exclusion, qui demandent aux étudiants d'aller. Euh, ils n'ont pas de contrat avec les étudiants. C'est des étudiants boursiers pour qui l'État paye. L'État paye les frais d'inscription, les frais de scolarité, l'État paye. Quand il y a des problèmes, normalement, c'est à ce fondateur-là d'aller. Mais comme je viens de le dire, c'est une affaire de business. Les gens sont dans une logique de business. Ce n'est plus le service public. C'est ça, malheureusement, la situation de ce pays-là. C'est une affaire de business. Les gens créent même la qualité, là. Il y a la Banque mondiale qui vient de. Un rapport récent de la Banque mondiale. La qualité de l'apprentissage, ça n'y est plus. Ça n'y est plus. C'est une affaire de business où les gens, bon, chacun, imaginez, regardez un peu toutes ces écoles, ces instituts, ces machines qui s'écrivent. Personne ne met, en tout cas, ne se donne la peine de vérifier. Est-ce que la qualité, des enseignements qui sont dispensés, est-ce que la qualité y est Les gens, vous, vous, dites, vous faites master dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. Personne ne se donne la peine de vérifier. Est-ce qu'ils sont les enseignants qui sont censés enseigner dans ces filières-là Personne. Et c'est ça qui est dommage. Parce que le rapport a démontré que dans ce pays, le Niger fait partie des derniers pays où la qualité de l'apprentissage, c'est un véritable problème de la base jusqu'au sommet. Et ça, moi, je dis, c'est quand même. C'est alarmant. C'est pas au-delà, l'alarmisme encore, c'est dramatique. Parce que c'est ces gens-là qui sont en train d'être, c'est eux qui sont appelés demain à gérer ce pays. Quand dès le bas âge, dès le bas niveau, l'enfant n'a rien appris, jusqu'au niveau supérieur, il n'a rien compris, mais il peut faire quoi Il va être sur le marché avec un diplôme. Mais il ne mérite pas ce diplôme parce qu'il ne peut pas être compétitif dehors. Et c'est ça, mais, bien sûr. Et c'est ça le plus important. Parce qu'on n'est pas dans un vase clos où on est là en Nigeria. L'enfant est appelé ou le, le, le, le, détenteur du diplôme, il a appelé à postuler à des postes internationaux. Quand il n'y a pas la qualité. Et c'est ça qui est dramatique. Et c'est ça qui est en train de se passer tous ces, comment dire, ces réformettes-là, on va mettre les enseignants pendant un mois pour les former parce que les niveaux... Non. Mais c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça fait longtemps que ce problème l'a perdu. Mais personne ne s'est donné la peine. Il fallait massifier. C'est la massification. On a fait une politique de massification. On s'est retrouvé dans une situation où aujourd'hui, vous allez évaluer. Vous êtes dessus, vous vous posez des questions. Mais comment il a pu avoir le bac Comment il a pu avoir le brevet Bien. Nous allons poursuivre avec un autre sujet, une tournée entamée dans les régions du Niger par le ministre de la Renaissance culturelle pour vulgariser son document stratégique de renaissance culturelle. La mission a fait Tilaberi, Zender, Maradi et j'en passe. Pour ce qui est de Maradi, nous avons en ligne notre correspondant Mohamed Maman. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Alassane. Bien, Mohamed, dites-nous à Maradi comment s'est déroulée cette rencontre entre le ministre de la Renaissance culturelle et la population autour euh, du dit document. Effectivement, le mardi dernier, le ministre euh, de la Renaissance culturelle, Asman euh, Malam Issa, était à Maradi où il a rencontré la population de Maradi au centre des préoccupations, comme vous l'avez euh, souligné tout à l'heure, c'est la vulgarisation du document élaboré pour l'opérationnalisation de cette euh, renaissance culturelle qui est, euh, comme vous le savez, cette politique du retour à nos valeurs et traditions qui sont des traditions. Effectivement, le ministre a été accompagné par ses plus proches collaborateurs, en l'occurrence le directeur national de la renaissance culturelle, devant donc euh, les chefs traditionnels, euh, les acteurs de la société civile, euh, les préfets et maires. Le ministre a, expliqué l'objectif de cette visite, c'est d'amener les populations de Maradi à prendre connaissance de ce document mais aussi à apporter leur contribution pour enrichir le document. Euh, à bateau rompu, hein, euh, une journée, euh, les, participants ont discuté en long à large de, de, ce document et euh, en tout cas les participants de Maradi étaient vraiment satisfaits de ce document, étaient satisfaits qu'il y ait aujourd'hui ce souci de revenir à nos valeurs et traditions qui sont en déperdition. Quelle, quelle a été l'appréciation euh, Vous dites bien qu'il y a notamment les maires, y compris euh, les chefs traditionnels, notamment le sultan du Gobir, euh, Abdoubala Marafa. quelle a été leur réaction eh, Effectivement, Abdoubala Marafa a pris la parole pour exprimer sa satisfaction. D'ailleurs, il a précisé euh, qui sont prêts à accompagner le gouvernement euh, dans cette politique, car les chefs traditionnels au Niger sont les premiers à constater la dérive que notre société est en train de courir, euh, car embrassant d'autres cultures au détriment de, notre. Abdou Balamarafa, n'est pas parti par quatre chemins, il a même eu à raconter plusieurs anecdotes, juste pour souligner qu'aujourd'hui, nos, nos populations sont en train de, de délaisser tout ce qui a c'était euh, notre valeur, tout ce qui ont, tout ce qui a permis à identifier beaucoup plus le Nigérien. Il a même raconté euh, une fois en France, il était juste euh, devant la Tour Eiffel quand un dessinateur a voulu faire son portrait. après, après le portrait, Abdoumalak Marfa a expliqué au dessinateur qu'il ne se retrouve pas dans, ce portrait parce que tout simplement, le dessinateur a oublié ou bien a omis sciemment de, de faire euh, les balafres de, de Goubirawa. Et Abdelbala Marafa lui a expliqué que ça, c'est son, son, identité, ça, c'est ce qui représente euh, sa valeur de, de, de, euh, Il a même expliqué aussi que chaque vendredi, il, a, il invite donc 300 à 400 jeunes à son palais, juste une manière de, de les approcher de la chefferie euh, de, leur, euh, de leur transmettre la, la, culture euh, de Gobirawa. Mais à sa grande surprise, il dit, parmi ces jeunes, il n'a remarqué qu'un seul qui a les balafres de Gobirawa. juste pour dire aux gens qu'aujourd'hui, les Gobirawa et Katinao, et même parfois les, les, Amas, sont en train d'oublier de, cette tradition tout juste parce qu'ils ne veulent pas qu'on les compare à des, à des, à des campagnards. Quoi. Voilà, donc, euh, euh un peu ce que l'honorable le, sultan du, du Gobir a, eu à, expliquer. Et il a vraiment été très, très, très satisfait de, la présence du ministre et surtout de ce document qui, pour lui, est vraiment d'une importance capitale. Merci beaucoup, Mohamed Maman, pour ces précisions. Restez avec nous pour suivre le suite de ce forum. Nous revenons au studio avec nos invités. Vous avez suivi avec nous l'intervention de Mohamed Maman, notre correspondant à Maradi, sur cette question de renaissance culturelle. Alors, Hussein euh, Issa, quelle appréciation faites-vous de cette initiative du ministère de la, Renaissance euh, culturelle pour ce qui est de la, vulgarisation de, ce document euh, sur la Renaissance culturelle ici au Niger C'est quoi la Renaissance culturelle Je te renvoie à la question. Ok, d'accord. Moi, pour moi, c'est du folklore tout simplement. Il faut mettre les gens au travail. Il faut créer les conditions pour que les gens travaillent. Il faut créer les conditions pour que les gens soient intègres. C'est ça les enjeux. C'est pas venir raconter que balaf tout ça. C'est créer les conditions pour que les gens puissent travailler. Malheureusement, de plus en plus, on met d'autres valeurs en avant au lieu de mettre ces valeurs-là. à dire que créer les conditions pour que ce, que ce dont tu dois vivre là, tu l'as mérité et tu vas vivre de ça. C'est comme ça les autres se sont développés. Pour, pour vous Non, euh, moi, pour moi, ah, ah. il n'y a pas d'autre miracle. Hein. La Chine, là, la, Chine, la Chine, euh, machin, Mao, quand il a fait sa révolution, c'était mettre les gens au travail et créer le conjoint pour que les gens puissent, chacun en fonction de ce que tu peux faire. Et pour vous, euh, la culture, non, la culture peut aussi permettre de, développer ses valeurs. Non, mais on n'a pas besoin. Est-ce que les gens ont perdu leur culture non, il ne faut pas qu'on vienne dire que les gens ont tout perdu. la culture est là. Moi, je sais, je viens d'où, je sais, je vais où. Parce que tout simplement, je suis resté attaché. Des gens ont travesti les, les, les valeurs, les valeurs essentielles ont été travesties dans ce pays. Les valeurs essentielles, c'est quoi C'est qu'il faut travailler. Il faut travailler, bien travailler, gagner honnêtement, créer les conditions pour que quelqu'un ne puisse pas venir voler. C'est bien beau de venir dire renaissance culturelle dans des termes vagues, tout ça, on est parti, on va balaf, tout ça. Tout ça, c'est des détails, c'est vraiment des détails. pour moi, c'est des détails. Bien. Murtala Mamadou, c'est votre point de vue également vous partagez son, point euh, de vue Vous savez, vous avez notre appréciation euh, Oui, je partage le, point de vue de, de Doyen Ousseidi en partie. Parce que, euh, d'abord, euh, euh c'est de l'or euh, à l'approche des élections présidentielles, l'élection présidentielle de 2016, que déjà je me posais la question euh, que le doigt Issa Hosseini vient de vous poser. C'est quoi la renaissance culturelle Qu'est-ce qu'on désigne par renaissance culturelle Et dans déjà le programme du de, de, de, président Issoufou, alors candidat à sa propre euh, euh, fort malheureusement, euh, pendant longtemps, on n'a jamais su ce que désignait cette expression. est-ce que ça signifie le retour aux valeurs ancestrales de notre société ou bien est-ce que cela signifie la promotion des valeurs qui vont faire en sorte des valeurs telles que la cohésion, la, solidarité, le, le, travail, la promotion par le mérite, etc., qui vont, sont quand même des valeurs qui aujourd'hui sont universellement admises et qui font que les pays se dépassent les uns les autres. Alors, euh, personnellement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on met dans, ce, dans, cette désignation par le ministère de la Renaissance culturelle. Euh, euh, j'entends, on parle déjà appris d'ailleurs par les ondes des radios que le ministre serait en tournée en tournée pour vulgariser avec les populations ces documents. Justement, peut-être c'est pour, répondre à, ces soucis de pouvoir partager. oui, partager et, et, faire voilà, de façon inclusive, c'est normal. J'apprécie vraiment cette façon de faire mais toujours encore faudrait-il que ce soit euh, euh, à l'issue un document qui puisse vraiment faire en sorte qu'il puisse euh, être mis en œuvre. Il ne s'agit pas d'avoir, on, a assez dans ce pays de, bonnes politiques, de bonnes initiatives qui malheureusement n'ont jamais été suivies d'effet. Ce n'est pas tant l'élaboration d'un document qui va résoudre le problème, je crois que c'est la promotion de l'éducation par l'exemple. Vous voyez, quand vous avez des personnalités au plus haut sommet qui ont des comportements peu ou pas du tout civiques, peu ou pas du tout responsables, euh, euh, il, serait incongru que tout un ministère se mette à s'adresser à la jeune génération pour leur dire euh, ayez des comportements responsables, retournez à vos valeurs, alors que les aînés ne sont pas là pour montrer l'exemple. Jafar Maman. Oui, je, je, veux essayer, je veux oser peut-être euh, comprendre, comprendre la renaissance culturelle, puisqu'il y a deux questions, Hussein l'a poser et Murtala. Pour ne pas la poser, je retourne dans, dans, dans un document du PNDS que j'ai vu pendant la campagne, où on a essayé de, de, de, retracer quelques idées qui sont aujourd'hui apparemment converties en, en, en, document de, de, renaissance culturelle. J'ai cru euh, comprendre dans le, dans le document qui a servi au président euh, Issoufou euh, pendant les élections de, de, dans son programme politique pour euh, un second mandat, c'était euh, la renaissance culturelle, c'était un changement de comportement qu'ils ont évoqué. Le changement de comportement des citoyens nigériens. Le, et à partir de ce changement de comportement, euh, euh, l'impulser dans le travail, comme l'a souhaité Ousseini. Et à partir de ce comportement, changement de comportement dans, le travail, qu'il y ait une implication sur euh, l'économique pour impulser la dynamique économique au Niger. Mais je suis très content aussi d'entendre de, ils qu'ils sont à l'intérieur du pays pour le vulgariser. Mais je pense que le plus important, Moultara l'a évoqué, c'est que ce document-là, avant que le... Ils ont un document déjà qu'ils ont qu'ils auraient dû euh, vulgariser. C'est le comportement, comme tu l'as dit, par les hommes. Il y a, il y a une politique. justement, puisque y a, j'ai même cru comprendre dans le comportement euh, au fait, quand on parle de renaissance culturelle, j'ai suivi ces débats-là par beaucoup de, de experts du, <laughs> du gouvernement. C'est la synthèse, quand on parle de renaissance culturelle, ce n'est pas les balafres. Non, ce n'est pas le grand boubou. Non, ce n'est pas l'habillement euh, bien, ou d'Agadez. non, quand on parle de renaissance culturelle, nous, à notre compréhension, et dans l'état actuel du Niger, c'est un changement de comportement. Et ce changement de comportement ne peut venir que du haut. Nous sommes... par l'exemple. Justement, devrait venir que du haut. Puisque ça vient, c'est un slogan politique qui vient d'en haut, mais il faut aussi que ces changements de comportement viennent d'en haut. Qu'on constate que le sommet a commencé à donner la leçon et pédagogiquement, ça facilite la tâche au ministre. J'ai l'habitude de le dire. Je dis que le ministre, le, ministre de la Renaissance culturelle, la modernisation de l'État, aura toute la difficulté à se faire entendre et à même à faire vulgariser cette politique-là tant qu'il a que le sommet ne change pas. et aujourd'hui, le sommet ne pas dans la renaissance culturelle. Bien, nous allons poursuivre euh, ce forum avec euh, ce volet sécurité. Le Niger a une fois de plus été victime euh, d'actes ignobles. En effet, une embuscade tendue au bataillon de sécurité des renseignements nigériens a coûté la vie officiellement à quatre soldats nigériens et trois américains. L'on dénombre huit blessés côté nigérien et deux côté américain. Les assaillants seraient venus du Mali. c'est qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon dans cette énième attaque moi, la leçon, je pense l'avoir une fois ou deux fois ici sur ce plateau-là. J'ai parlé de ça. D'abord, j'ai dit chacun doit balayer devant sa porte. Je l'ai dit. Je ne peux pas comprendre qu'un pays indépendant, souverain, ne puisse pas contrôler une bonne portion de son territoire et comme disent que c'est de là-bas que les, terroristes, les groupes, les factions terroristes, c'est là-bas leur base. On connaît les zones. Ils se donnent aucun moyen d'aller les combattre. Mais nous, nous sommes en train de les aider à vouloir les combattre. Mais eux, ils font aucun effort. À la limite, moi, je me dis quelque part, c'est comme s'ils font aucun effort. Il faut que chacun balaye devant sa porte. Parce que la lutte contre le terrorisme, la guerre contre ces, forces-là, c'est une guerre asymétrique. Vous ne pouvez pas, parce que vous ne savez pas à quel moment le, le, commando qu'on va envoyer, à quel moment il va entrer en action. Vous ne pouvez pas savoir, quel que soit par ailleurs. On a vu aux États-Unis avant-hier ce qui s'était passé à Las Vegas. Et ça se passe un peu partout en Europe. Il faut que Chacun balaye devant sa porte. Chacun se donne les moyens d'abord de balayer devant sa porte. Parce que eux-mêmes. En termes clairs, qu'est-ce que vous insinuez Ce que je suis en train d'insinuer, c'est que il faut que. Vous parlez de, du pays supposé où euh, non, on, on, est là, il y a des forces, il y a des forces extérieures qui sont venues nous donner un coup de main. Les Américains, les, Français, les Français, les Allemands, ils sont là. Ils font ce qu'ils peuvent en termes de renseignement. Ils nous aident. Maintenant, c'est qu'au niveau des pays, que chaque pays se donne les moyens, en tout cas dans la limite des possibles, pour pouvoir combattre et créer les conditions pour que des factions ne puissent pas tenir des régions ou des localités entières. sur leur territoire. C'est ça d'abord la première activité à mener. Mais tant que ce n'est pas fait, où des gens sont là dans des zones où on dit c'est eux qui commandent cette zone-là. Murtala, <laughs> Murtala la présence des soldats américains parmi les militaires tombés euh, dans cette embuscade a surpris plus d'un non, euh, personnellement, ça ne m'a pas surpris, à moins que les gens peut-être euh, avaient oublié déjà que les, forces américaines avaient déjà annoncé qu'ils étaient dans cette zone avec de collaboration avec les forces armées nigériennes Souvenez-vous de l'exercice du Flintlock, euh, qui a touché également cette partie du, territoire nigérien. Donc euh, ils sont là dans, dans, le cadre de la coopération avec euh, l'armée nigérienne. Donc aucune surprise qu'ils se retrouvent sur le terrain parce que la coopération ne s'arrête pas dans les bureaux à partir de Niamey. J'ai apprécié une intervention, une partie des propos du doyen Ousseini quand il dit chacun doit balayer devant sa porte. Peut-être que je ne dis pas qu'il faut que chacun euh, se de balayer juste devant sa porte, mais chacun doit faire un minimum d'efforts euh, pour que devant, euh, euh, devant, sa porte soit un peu balayé, même s'il doit recevoir un coup de main de ses voisins. nous sommes en train de payer un lourd tribut, nous en avons payé assez, nous avons perdu assez d'hommes parce que aujourd'hui l'État malien n'arrive pas, n'a pas le contrôle sur son territoire. Il ne faut pas avoir peur des mots si aujourd'hui, euh, au niveau du Mali et, au niveau des, autres puissances qui sont en, train de créer euh, cette division de l'État malien, appelons les choses par leur nom, euh, on arrivait à planir les divergences et faire en sorte que l'armée malienne reprenne le contrôle du, territoire malien. Aujourd'hui, ces groupes n'auraient plus de base arrière où ils vont aller se ressourcer et penser leurs blessures et revenir nous attaquer. Bien, Jafar Maman, trois soldats américains tués en territoire au Sahel, à quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours comme conséquence pense que une présence accrue des forces étrangères ou euh, le contraire je pense un C'est plutôt la, vigilance qui sera de mise pour comprendre que le terrorisme euh, de type nouveau n'a plus de frontières et, euh, on voit ces derniers temps les attaques un peu partout. Mais ce qu'il faut poser sur cette question, sur ce, cet événement dramatique, c'est euh, le débat, c'est la situation du Mali. Euh, je suis d'accord, euh, Hussein l'a dit, il faut qu'on sécurise notre frontière. Il faut surveiller notre frontière, il faut plus de, vigilance à notre frontière, mais il faut aussi oser poser le débat sur euh, euh, la faiblesse de l'État malien et l'incapacité de la diplomatie du Sahel à déloger les terroristes qui sont à Kidal. Toute la difficulté est là. En néophyte de, la, question sécuritaire et militaire, moi, je suis, reste convaincu que la plupart de, ceux qui viennent nous attaquer n'ont d'autre ce que Kidal. une, localité où on a laissé à des groupes armés, on sait, qui se réclament même des mouvements euh, euh, terroristes, djihadistes, et qui ont le bénéfice de, de, de la France, il faut le dire. Mais l'autre aspect qui, qui, qui, euh, qui m'interpelle, c'est une grosse inquiétude pour moi, c'est quand je vois le manque de compassion des médias francophones sur l'attaque, cette dernière attaque. Puisque la question qui revient, c'est euh, l'attaque euh, nous montre que les, Américains sont présents au Niger. Alors que si c'est des, militaires français, ce n'était pas le même comportement. Et là, ça m'inquiète sur la possible guerre du contrôle du territoire entre les, forces étrangères au Niger. Et la, preuve, c'est Que, le, le, quand un coup d'œil sur un article de l'AFP, où on cite le porte-parole de, l'état-major euh, de l'armée française, on dit que les avions français étaient sur le terrain pendant le combat, mais du fait de l'embrication sur terre, ils n'ont pas pu intervenir, ils sont revenus. Et quand on connaît la, capacité militaire de ces avions-là, ils ne peuvent pas ne pas faire le distinguo entre l'armée nigérienne, les éléments nigériens, et les assaillants. Qu'est-ce qui se passe et quand surtout, en, en, en se cantonnant sur ces propos-là du porte-parole de l'armée française, que j'ai lu sur l'AFB et en voyant le comportement de la presse francophone, pour ne pas dire française, sur un manque de compassion sur, sur cette euh, attaque-là, la tuerie de soldats nigériens. En quelque sorte, une jalousie du. Mais, mais il faut s'interroger. Et là, c'est une autre question qui vient s'ajouter à la problématique de la sécurité que nous gérons depuis tous ces temps. Oussaini Issa, euh, est-ce que cela soulève aussi la question de, la collaboration entre les différentes forces présentes ici au Niger Bien évidemment, parce que vous savez, un peu l'Afrique, c'est, comme on avait dit, c'est les indépendances, là, c'est des indépendances formelles. Chaque euh, machin veut contrôler sa zone. Quand il voit un autre qui vient, qui va vouloir s'installer militairement, il va commencer à se poser des questions. C'est ça la problématique. Il y a les Allemands qui sont là, vous savez bien que ce n'est pas évident que ça fasse plaisir aux Français de voir les Américains, de voir les Allemands, de voir les Italiens qui sont en train de vouloir s'implanter. C'est ça la difficulté. Et moi, j'ai dit simplement une chose, il faut qu'on dépasse ce stade d'indépendance formelle, prête indépendance. Et quand on est indépendant, c'est qu'on doit créer les conditions pour, pour pouvoir sécuriser son territoire. Mais le Niger est très vaste. Mais, ce pas une raison. Murtala, Murtala Mahamadou, un dernier mot sur cette question, notamment la présence des forces étrangères qui. Euh, je pense bien n'arrive pas à coordonner, leurs actions et ce qui fait quand même euh, l'affaire des, adversaires les adversaires ce sont les groupes euh, terroristes qui sont là tapis dans l'ombre pour continuer à semer la désolation nous sommes au terme du forum de la presse de ce soir. Nous étions en compagnie de Murtala Mamadou du journal La Griffe, Jafar Mamad, DP du journal L'Indépendant Plus et Hussein Issa, journaliste indépendant. Merci à vous d'avoir été des nôtres durant ces 45 minutes. Présentation à la Kouzi Mamadou, réalisation technique à santa Excellente soirée à tous et bon début de week-end.